lu bon bon bon bon xaalis bu bon bi nga xam ne dugal 200 millions xaalis bu bon la naa si récupérer 100 millions mu nek lu lew lu taxaw ba fay lu lew mais mu nek lu lu taxaw lu mën dugg ci économie bi mu teg ko ne raxas naa 200 am naa ci 100 millions mom mu jëlone xaalisam liggéey ko dugal ci économie bi entreprise am daanu na ñàkk na 200 millions ñàkk na emploi ñàkk na également investissement li moy danger blanchiment d'argent de l'uniformé. il faut impérativement cette question de blanchiment d'argent il faut bien wax les premiers éléments de flux financiers illicite et encore une fois c'est l'honneur de la gendarmerie nationale qui est en jeu et le forum civil interpelle tous les hauts gradés de la gendarmerie sur cette question-là il faut que je suis très bien. Les filles sont barina. Sans le budget programme. Il y a un programme qui est fait au Sénégal. Il y a un programme de défense euh, économique et sécuritaire. Est-ce que vous savez qu'il y a un haut fonctionnaire qui est fait Tu tournes. Il y a un montant 5 milliards. Je récupérer. 5 milliards, j'ai dit un haut fonctionnaire de l'État. Ça se passe au niveau du programme de, sécurité, de, défense économique et sécuritaire. 5 milliards de francs CFA. Tu trouves un haut fonctionnaire de l'État en injustice. Où est la justice dans ça Le combat contre les flux financiers illicites, du combat aux élites mais combat aux citoyens là du combat aux élites combat aux citoyens là. wax ji nag mënut a neex parce que fi ñu toll la fi ñu bëggal Sénégal la fi monde bi toll la fi Afrique de l'Ouest toll la bu ñu tegul Sénégal ci dëgg njombe mën na fay am amul fu ñu làqoo fu ñu dem amuñu ko donc li ñu am as tuut nañ fexe ba yaxanal ko bu bañ a dugg si ay poos benn nit ñaari nit mais Sénégal yépp jariñoo jariñoo ko te li wax bu ko tay juge bi suba mënuma 5 milliards foko tek. Suma su tamit ñu dama ci rek commune de demee